Alors que risquent les personnes qui ne valideraient pas ces conditions générales d'utilisation À très court terme, rien, puisque finalement Facebook a dit qu'il repoussait euh, l'échéance pour WhatsApp euh, et pour cette mise à jour. En revanche, c'est vrai que sur le message initial, il était bien dit que euh, les utilisateurs ne pourraient pas continuer d'utiliser euh, WhatsApp s'il ne l'acceptait pas. Euh, alors est-ce que c'était une suppression pure et simple ou un blocage Ça en fait c'est pas très très clair. D'ailleurs c'est d'autant moins clair que comme ils ont repoussé, on sait pas trop où on va. Ce qui est sûr c'est que pour l'instant il va falloir un peu observer ce que WhatsApp va faire, ce que WhatsApp va annoncer. Mais enfin euh, ce qui est sûr c'est que pour l'instant les comptes sont actifs même si on n'accepte pas les CGU, puisqu'on est censé avoir un peu plus de délai pour les valider. En revanche, à terme, ce qui va se passer, c'est que probablement Facebook va forcément euh, chercher à valider son modèle et à rentabiliser les choses, et donc ne devrait pas permettre d'utiliser WhatsApp de manière pleinement opérationnelle si on ne valide pas ces conditions générales. En revanche, en tant qu'utilisateur, en tant qu'internaute, on a tout à fait le temps et un peu de recul pour, du coup, réfléchir si oui ou non on considère que c'est important de rester sur WhatsApp parce que par exemple tout le monde y est déjà et que c'est plus facile ou qu'on a beaucoup d'archives et ou alors on contraire de se dire eh bien avec toute ma communauté ou toutes mes communautés ou tous les gens que je suis avec lesquels on échange ou quotidiennement ou, ou, plus régulièrement en tout cas eh ben on va décider d'aller par exemple sur euh, Telegram qui est une plateforme euh, chiffrée aussi hein, de messagerie qui a été euh, fondée par un russe et qui et qui marche plutôt bien ou alors encore une autre qui est en considération comme encore plus discrète et qui s'appelle euh, Signal, euh, et qui pour la petite histoire euh, a été, enfin en tout cas fonctionne à présent grâce à une fondation qui a été financée par, attention tenez-vous bien, par l'ancien cofondateur de WhatsApp, qui en fait n'a pas supporté la façon dont, après le rachat de WhatsApp par Facebook, Mark Zuckerberg a décidé quelque part de rentabiliser son investissement. Et donc, en quittant WhatsApp, il a décidé de prolonger son engagement au service d'une certaine vision des, messageries et des échanges. Et donc, il a créé la Fondation Signal, avec d'ailleurs l'argent qu'il avait gagné en, vendant euh, WhatsApp très très cher. Et, voilà, donc Signal, c'est aussi une des alternatives, mais voilà, il y en a encore d'autres. Hein. Alors WhatsApp, c'est évidemment une entreprise de dimension mondiale, à l'exclusion évidemment de, la Chine, mais ce qui est très étonnant avec euh, ces conditions générales d'utilisation, c'est qu'elles sont les mêmes partout dans le monde, mais elles ne s'appliquent pas exactement de la même manière. Et donc, avec le, euh, RGPD, donc le règlement général sur la question des données personnelles en Europe, grosso modo, les internautes européens sont beaucoup plus protégés que les internautes africains ou les internautes euh, américains parce que la régulation, c'est-à-dire l'encadrement des activités de, WhatsApp euh, par euh, euh, le monde politique, par les gouvernements, eh bien, fait qu'en Europe, grosso modo, WhatsApp est moins libre d'exiger tant de données personnelles de la part de ses utilisateurs. Là où, par exemple, malheureusement en Afrique, à ce stade en tout cas, rien n'est fait pour les protéger, rien n'est prévu pour encadrer sérieusement les activités des internautes. Et donc, quelque part, euh, les utilisateurs de WhatsApp en Afrique sont ceux qui seront les plus, disons, exposés au fait d'avoir leurs données personnelles partagées euh, par WhatsApp avec euh, ses clients et ceux qui seraient intéressés par le fait de récupérer les données personnelles des internautes. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que depuis que les internautes se sont en quelque sorte révoltés en disant mais c'est quoi cette histoire Et depuis même qu'on a vu une partie des internautes commencer à envisager de changer de plateforme, de quitter WhatsApp pour aller vers des alternatives, comme les plateformes Signal ou encore Telegram que vous connaissez peut-être, eh bien du coup il y a eu de la part de Facebook une décision qui a été de repousser cette échéance en disant non, ce n'est pas jusqu'au 8 février, mais jusqu'à la mi-mai que vous avez pour vous prononcer sur ces nouvelles conditions générales d'utilisation. Et je pense qu'entre-temps, l'enjeu pour l'entreprise, c'est d'abord évidemment de calmer le jeu et puis éventuellement de revoir euh, la façon dont ils vont essayer de, de se positionner sur les enjeux pour faire accepter cette mise à jour. Pourquoi c'est si important D'abord parce qu'il faut bien se souvenir que donc WhatsApp, euh, c'est une propriété de Facebook. Alors on y est certes quelque part un peu plus tranquille que sur Facebook, puisque les conversations qu'on échange avec ses amis, avec sa famille, avec des contacts, effectivement, c'est chiffré de bout en bout. C'est-à-dire que personne ne peut lire le contenu de votre conversation. Personne ne peut savoir que vous envoyez une photo où on voit vos enfants ou que on peut, on peut pas savoir que euh, euh, vous avez écrit à vos amis une blague qui porte sur tel personnage politique ou sur tel euh, membre de votre association. En revanche, ce qui est certain, c'est que WhatsApp dispose quand même d'un certain nombre d'informations, c'est-à-dire il sait à qui appartient le téléphone, euh, il sait où vous vous connectez, quelle est l'adresse IP, il sait quel est le type d'appareil que vous utilisez, est-ce que c'est un iPhone, c'est-à-dire un Apple ou un Android. Enfin bref, il y a quand même des niveaux d'informations qui sont exploitables d'un point de vue commercial et qui pourraient intéresser Facebook, qui cherche à euh, quelque part rentabiliser son investissement de 2014. Eh bien, c'est ça l'enjeu en ce moment. Derrière cette mise à jour, c'est de dire euh, que tout ce qui, à l'heure actuelle, n'était pas monétisé par WhatsApp et qui correspondent à des données sur ces utilisateurs, eh bien WhatsApp souhaite désormais les utiliser pour les consolider et les croiser avec les données qui sont possédées par Facebook. Et contrairement à une idée reçue, euh, quand on n'a pas de compte Facebook, eh bien même si on a un compte WhatsApp, évidemment, Facebook dispose d'informations sur vous. Ce sont des informations qui sont moins précise, puisqu'elle ne peut pas avoir accès au contenu de vos conversations. Quand vous mettez un post sur Facebook, eh bien, euh, euh, finalement, Facebook a plus d'informations que quand vous partagez quelque chose à l'intérieur de WhatsApp, puisque WhatsApp, encore une fois, c'est chiffré. Par contre, euh, il a quand même de, WhatsApp a quand même des informations sur euh, à peu près, disons, euh, quel est le numéro de téléphone qui est utilisé, quelle est l'adresse IP, etc., etc. Donc, il ne faut pas imaginer que quand on n'est pas sur Facebook, mais qu'on est uniquement sur WhatsApp, on échappe quelque part au, grands grand méchant Facebook. En revanche, c'est vrai qu'on est un peu moins monétisable, c'est un peu moins intéressant d'un point de vue publicitaire. Mais voilà. Et quant à ceux qui ont et un compte WhatsApp et un compte Facebook, l'intérêt pour Facebook en tant qu'entreprise, c'est de pouvoir dire par exemple euh, au marché publicitaire, eh bien, je suis en mesure de, de dire que telle personne, mettons euh, Julien Lebot, eh bien, euh, la façon dont il utilise son compte WhatsApp, c'est comme ceci, et la façon dont il utilise son compte Facebook, c'est comme cela. Et donc, on vous connaît un peu mieux, et donc, on peut dire au monde publicitaire, eh bien voilà, si vous cherchez à cibler tel genre de personne, mettons un journaliste français qui travaille sur RFI et qui s'intéresse à ça, ça, ça, ça, ça, vous pouvez le cibler sur telle plateforme, mettons Facebook, et puis sur telle autre, c'est-à-dire WhatsApp. Donc voilà, l'enjeu, c'est donc de, réussir à consolider cette connaissance des utilisateurs pour euh, conforter un modèle publicitaire et mieux rentabiliser l'investissement initial qui était été de racheter WhatsApp il y a quelques années.